nga xamantene ñoo fi nekk war a dund ci bar ñi yaakaar pollution bi di jóge si sokosim di jóge si central à charbon di jóge si aussi ci port minéral yëpp ak installation yo ya fa nekk war nañ ko xool donc loolu la ñuy laaj tey ñi fi nekk ne leen. si jiitu mooy maire bi ngay politique da nga waxoon képp ku ami suuf di nga ko delloo bi ngay politique loolu nga campagne doomi bar fal la kon boo faloo li nga war def moy, képp ku am ay suuf nga delloo ko ay suufam bañ ko koñe naka ay nii di ko terenel wala di ko jox bit. c' est que bar ñi euh, vraiment est agressé de tout bord donc il y a la Sukosim qui est là la centrale qui est là il y a le port minéralier qui est là mais il y a aussi le pôle urbain parce que pôle urbain bi aussi day impacter négativement bar parce que. le pôle urbain, donc, euh, il y avait une capacité d'infiltration de l'eau. Maintenant, au circuit ruissellement, il y a te bu parce que c'est un bassin versant Il y a lu donc nous, dañu doon une euh, zone du point de vue donc pollution on est extrêmement agressé et il faut que nous arrêter parce que Sénégal y a il tout na donc si ñu jëlee comme le dit M. Mapati Samba, jël une cimenterie bi ngeen à ko àllub donc bu du rëy parce que àllub kaañ mais Barnigini, à moins de 3 km, il y a une cimenterie il y a un port il y a une centrale ensuite une autre cimenterie plus les autres installations qui se trouvent à l'intérieur du port là donc euh, vraiment on peut dire trop c'est trop donc il faut que nous nous ensemble nous nous Barni, comment